le, charbon minéral, c'est décrié partout. Euh, d'abord, il faut voir euh, par rapport à l'exploitation. Donc, du point de vue même de l'exploitation de ces charbons, euh, la quantité de gaz à effet de serre qui sont émises est très importante. Et même dans l'utilisation maintenant du charbon minéral, cela dégage parce que les sources énergétiques, parmi les sources énergétiques les plus polluantes, figure en premier plan quand même le charbon minéral. Parce que quand on regarde, je pense qu'au niveau des émissions globales, presque 40% au niveau de l'énergie proviennent de ce, secteur énergie l'énergie euh, du charbon minéral. Donc c'est vraiment euh, euh, très dangereux par rapport au, au, CO2 que cela dégage. Donc il y a trop de CO2, vous comprenez aussi les émissions de gaz à effet de serre, parmi lesquelles le CO2 fait partie des les plus gros que ce charbon minéral dégage une quantité importante. Donc, sur toute la ligne, en fait, de l'exploitation à l'utilisation, c'est énormément de quantités de, de, CO2 qui sont dégagées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays dans le monde, les gens sont en train d'appeler, surtout la plupart des activistes, à la sortie, en tout cas, du charbon. Donc, euh, toutes les centrales à charbon. Aujourd'hui, au Niger, nous avons euh, la, la euh, qui produit son électricité à base du charbon minéral, donc qui est très toxique, très dangereux aussi du point de vue de l'environnement. Et quand on regarde même euh, ce que cela peut produire au niveau de, des surfaces, au niveau de l'environnement, hein, parce que les zones où il y a cette exploitation, cela accélère euh, du point de vue aussi l'érosion hein, des sols. et tout ça, c'est des conséquences très dangereuses pour l'environnement. Ça, c'est ce qu'on appelle le moindre mal. Aujourd'hui, nous, depuis quelques années, l'approche de Tabaski, on lance ce que nous appelons Tabaski écolo. Donc, c'est une campagne online qu'on essaie de faire pour inviter les gens à réduire leur consommation du bois le jour de Tabaski et de s'orienter vers des alternatives. Donc, pour nous, ça, c'est un choix que nous avons. On ne dit pas que c'est un choix le plus écologique possible, mais c'est un choix assez objectif pour un pays sahélien tel que le Niger. Aujourd'hui, moi, je préfère que nous utilisons le charbon minéral au détriment du bois parce que nous n'avons pas beaucoup d'arbres, nous sommes un pays désertique. Donc plus on coupe les arbres et plus le désert avance, plus les conséquences sont énormes. Alors que par contre, on a du charbon minéral en quantité énorme. Donc je préfère utiliser ces moindres mal que euh, d'encourager les gens à consommer du bois. Mais dans l'un ou dans l'autre, il faudrait qu'on arrive à réduire à notre dépendance par rapport à ces sources énergétiques. Aujourd'hui, il y a des alternatives telles que l'énergie solaire qui peut être utilisée par euh, différents types de choses. Il y a ce qu'on en sait très bien, les cuiseurs solaires. Euh, il y a les sources, d'autres sources énergétiques telles que les éoliennes ou d'autres qu'on peut utiliser pour réduire notre dépendance euh, par rapport au bois énergie. Donc ça, c'est très important. Mais nous répétons quand même, pour nous, ça, c'est un choix que nous avons fait en concert avec mon principe est tout pour dire, pour un pays tel que le Niger, nous ne pouvons qu'encourager l'utilisation de ces charbons minéral au détriment du bois énergie. Parce que, comme je le répète, notre couvert végétal est maigre. Nous sommes en train de voir les conséquences de la coupe abusive du bois. Quand on regarde le fleuve qui est ensablé, qui est asséché, tout ça, c'est le manque des arbres. Parce que la plupart du bois qui est consommé dans la ville de Niamey provient de la vallée du fleuve. Et que la plupart des arbres de cette vallée du, euh, du fleuve sont coupés ou sont utilisés pour d'autres fins. Donc nous pensons que des actions comme ça, plus on utilise le charbon du minéral, plus ça peut réduire euh, l'impact euh, sur, sur les arbres. Donc voilà pourquoi notre choix par rapport ben, dans ces cas précis. Mais du point de vue environnemental globalement, les gens trouvent que le charbon minéral est plus dangereux que le bois.